en français. Tout simplement dire que nous nous sommes arrêtés ici à Raoult pour aller à la rencontre de notre cellule euh, installée ici depuis plusieurs mois à Raoult, de femmes dévouées, engagées à la cause de Dundu et convaincues de l'idéal que nous prônons, qui est un idéal de paix, un idéal de justice, un idéal de communion et un idéal de fraternité. Fraternité à tous les points de vue. Donc c'est à cet égard que cette communauté, euh, cette cellule que nous avons installée ici à Arau nous soutient depuis le début de Dundo. Nous ne les remercierons jamais assez pour euh, l'engagement qu'ils ont démontré depuis le début et pour leur engagement au service du renforcement de Dundu et au service du succès et de la réussite de Dundu dans cette partie de la région de Saint-Louis. Leur réaffirmer également notre soutien et notre témoignage de gratitude pour euh, tout ce qu'ils font euh, au regard de la massification de, de dans cette partie de la région de Saint-Louis et leur dire que nous sommes ensemble et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les femmes qui sont ici, soutenir les jeunes et soutenir toute la communauté et leur donner rendez-vous très prochainement après les élections pour une tournée euh, régionale qui, euh, au, cours de laquelle euh, une étape décisive sera réservée à, Raoult et à notre cellule basée ici. Donc je vous remercie tous pour cet accueil, pour ce soutien et pour, et pour votre engagement en notre faveur. Merci beaucoup et à très bientôt. yëpp incha allah ñoo koy ànd jëfandoo ko liggéeyandoo ko sotteendoo ko bu soobee yàlla sànq am nañu réunion bu am solo ci Saint-Louis ak ñoom Cheikh am na lu ñu liñ am na lu ñu leen dénk loo xam ne xam naa ñoom dinañ ñëw wax waxtaan ak yenn après incha allah ci campagne bi ba après campagne bi aussi ñu fas yéene fi ñëwaat def une tournée ci biir région de Saint-Louis ci tournée boobu nag yéen waa raw bu soobee yàlla dinañ lañ ci xajal bu baax a baax ñëw fi yendondoo ak yéen waxtaan ak yéen te bu soobee yàlla gën a xamante bu soobee yàlla en tout cas suñu mbég suñu mbégte suñu mbégte suñu mbégte lay doon bu baax a baax ma leen di gërëm di leen sant suñu mama yi suñu sœur yi di leen wax góorgóorlu leen rek dina baax bu soobee yàlla te ñun ñun tam jàpp nañ te duñu bàyyi bu soobee yàlla di leen gërëm di leen temps bi dafa xat rek waaye bu ñu sañoon dañuy yendu waxtaan Euh, teg ay stratégie tëral ay pexe pour suñu élection ak yeneen waaye wóolu nañ leen tam denk nañ leen lépp denk nañ leen yàlla denk nañ leen aussi suñuy mbir denk nañ leen suñu élection denk nañ leen suñu parti fii ci raw incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla mbay ndam ñun ñëpp di leen gërëm di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp ñii fi teew ak ñii fi teewul yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na leen yàlla fay amin ya rabbal alamin jërëjëf